suivez Yeglet TV. Euh, merci de nous accueillir chez vous, le journal. Farah Feigné, avant et avec les présidents Macky Sall et Adama Barrow, que de changements avec ce pont sur le fleuve Gambie, huit ans après. Le collectif des 25 menaces, car il compte en découdre avec le chef de l'État pour que cessent ces dérives dit-il. Au euh, PDS, euh, le secrétaire général national, Maître Abdoulaye Wade, ne demande ni moins ni plus que l'exclusion de Maître Madi Kenyan du collectif des 25 et corse l'addition en lui suggérant de lui rendre son siège de député. Quant à Aïmerou président du groupe parlementaire Benobo la posture de l'opposition est tout sauf républicaine. Voici les grandes lignes de cette édition. Le développement dans un instant. Farafeigné en 2011 et Farafeigné en 2019. Huit ans exactement, la localité a changé de visage. Si auparavant, une fois à Farafeigné, il faut prendre le bac pour traverser le fleuve Gambie, Aujourd'hui, ce n'est plus le cas avec le pont qui surplombe et traverse le fleuve jusqu'à Soma pour dire combien la zone a considérablement changé avec cet ouvrage flambant neuf qui va permettre aux populations de se déplacer d'un pays à un autre sans aucun problème et contribuer à réduire drastiquement les horaires contrairement à l'époque où pour traverser avec le bac c'était la croix et la bannière. Je vous propose de suivre ce récit. Huit ans après, Farah est passé différé à un pont de dernière génération. Qui l'aurait cru Peut-être les plus téméraires et les plus optimistes. Il y a huit ans exactement, en 2011, Farah était un chemin de croix pour les Sénégalais qui veulent rejoindre le sud du pays où ils passaient toute une nuit, voire toute une journée, rien que pour traverser le fleuve Gambie. Un obstacle naturel pour atteindre l'autre bout afin de pouvoir rallier la Casamance. Quel parcours de combattant. Mais aujourd'hui, avec ce pont flambant neuf, en cette année 2019, c'est une nouvelle page de l'histoire qui s'écrit avec cet ouvrage qui relie non seulement les deux pays que sont la Gambie et le Sénégal, mais cerise sur le gâteau, il contribue à la fluidité de la circulation. Traverser la Gambie en moins de 30 minutes du génie et du pragmatisme. Une vraie révolution dans le cadre des échanges entre les deux pays une aubaine pour la libre circulation des biens et des personnes et une belle leçon d'intégration administrée par les deux présidents Macky Sall et Adama Barrow aux autres chefs d'État africains que l'union est possible. Il suffit juste d'oser et d'avoir du cran. Aujourd'hui, cette vieille doléance du peuple sénégambien qui est devenue réalité, car ce pont inauguré ce 21 janvier augure des lendemains enchanteurs pour la Gambie et le Sénégal, parce qu'étant un trait d'union. Une infrastructure d'une beauté architecturale imparable, réalisée par des Africains pour des Africains, et avec ce pont de la Transgambienne, c'est Farafenier qui change complètement de visage comparé au temps où on prenait le bac en 2011. En 2019, soit huit ans après, grâce à la vision et au leadership des deux présidents Macky Sall et Adama Barrow, ce sont les deux pays qui ouvrent un nouvel ère d'une part et d'autre part, c'est bien la Gambie qui se dote d'une infrastructure de dernière génération. Avec cet acte, l'intégration n'est plus en vain mot, mais une réalité avec des réalisations de ce genre, The Gambian Bridge. À partir de ce jour maintenant, l'eau va couler sous le pont. En politique, maintenant, le collectif des 25 candidats à l'élection du 24 février 2019 compte en découdre avec le chef de l'État. Pour ce collectif, il est temps d'éviter les dérives de Macky Sall. Cependant, il souligne qu'ils vont rejoindre le chef de l'État dans son vœu qui est la confrontation. C'est un reportage signé Djibril Dem et Amdi Fagnan. Le collectif des 25 candidats de l'opposition compte en découdre avec le chef de l'État. Pour ce collectif, l'heure de la confrontation a sonné. Le C25, pour répondre à la provocation de Macky Sall, est déterminé à engager une lutte sans concession pour défendre les acquis démocratiques de notre pays et faire face par tous les moyens à sa disposition à l'arbitraire imposé par un président sortant qui redoute d'affronter le suffrage des citoyens de façon honnête et sincère. Selon le président du Boko les Sénégalais seront témoins du regain de la violence que va instaurer le régime. Mobiliser les populations sénégalaises parce que Macky Sall nous a invités à la confrontation et nous y répondrons. Non, si je dis réflexion, c'est aujourd'hui et demain. Eh, vous, verrez d'ici la semaine euh, qu'est-ce que nous allons faire à travers le Sénégal euh, pour des actions euh, qui vont montrer euh, les rapports de force entre nous et le régime en place. Cependant, les leaders des grands partis appellent à la mobilisation et à la confrontation. Dans sa volonté fortement exprimée d'avoir un deuxième mandat, ne laisse aucun choix au collectif des 25 candidats, aux forces vives de la nation et au peuple sénégalais le président Macky Sall ne nous laisse aucun choix que le choix de la confrontation. Puisque si nous voulons défendre le Sénégal, si nous voulons défendre la patrie, la nation, pour la sauvegarde de ses intérêts supérieurs, nous n'avons plus aucun choix que de trouver le président Macky Sall dans le choix de la confrontation pour libérer le peuple sénégalais et redresser la vie de la nation. Les élections du 24 février s'annoncent déjà au Sénégal. Si le pouvoir essaie de baliser le terrain pour sa réélection d'une part, d'autre part, le C25 campe sur sa position qui est de faire partir le chef de l'État au soir du 24 février. Toujours euh, dans ce, dans ce même chapitre, l'adhésion de maître Madi Kenya du collectif euh, C25 continue de susciter beaucoup de polémiques au sein de la classe politique sénégalaise. Du côté de son ex-mentor, maître Abdoulaye Ouad, il recommande l'exclusion de celui-ci du C25. Une réaction diversement appréciée par certains citoyens rencontrés par notre reporter Boundour et Amdi Nyan. L'exclusion de Maître Nyan dans le C25, c'est le souhait d'Abdoulaye Wad. Le pape du SOPI estime que le PDS s'oppose à cette adhésion au sein de ce collectif. Baimbe Sambaï, un ancien militant du PDS, fustige l'idée d'Abdoulaye et estime que Madiké a tout fait pour le père de Karim Sawad et pour le PDS. C'est bientôt avant l'alternance. En 88, seul Madiké restait avec Abdoulaye Wad. Madiké, c'est le candidat du PDS. Ce qu'il a fait, c'est normal. Parce que s'il est resté seul, le PDS n'aura pas de candidat. Alors, pour moi, il a sauvé le PDS. Ce jeune étudiant rencontré embauche la même trompette et pense que Madike est le second recours du PDS et qu'il doit le soutenir. C'est que Madike Nia pouvait être la deuxième candidature du, PDS. Raison pour laquelle a voulait coûte euh, imposer son fils pour, au Sénégalais. Raison pour laquelle Madike Nia et si vous voyez la situation actuelle, la majeure partie des, leaders qui, étaient à, l'opposition, donc dans, la partie PDF, ils ont, ils ont, ils envahi Macky Raison pour laquelle euh, euh Kenya a, intégré, a entre Madi Kenyan et Maître Abdoulaye Ouad, la bataille s'est définitivement installée. Abdoulaye Wad estime toujours que c'est une candidature de collusion, téléguidée par Macky Sall. Quoi qu'il en soit, l'avenir nous en dira plus. Wait and Et pendant ce temps, le président du groupe parlementaire Benobok Yakar, Aimeru Nying, a fustigé le comportement du collectif C25 appelant à un soulèvement populaire. Certains citoyens ont salué cet appel, d'autres pensent qu'il faut prôner la paix et non la violence pour les élections apaisées, libres et transparentes. Cependant, les avis diverses Suivons ce micro-trottoir réalisé par Seydou Boudour et Amdi Moustapha ñun talunu xiiroo talunu ŋaayoo boo demee si armée bi sunuy rak sunuy frère ñoo fa ne nga dem si ministère yi ndax nu ko zalik naka noonu ñun daal réew mi xam nga lu ñu ñaan muy parti pouvoir opposition ñëpp jàmm lan soxla si suñu réew ak lu mën a xew nan ko tënk si jàmm. dox ñaxtu ak xeex moom waxuñ ci dara Macky Sall je vous dis waaw def nga li la war waaw xanaa lu des kañ ñun ñoo dese léegi fan de 2019 premier tour waaw d'accord euh, coalition euh, En santé maintenant, où le ministre de la Santé a annoncé que le gouvernement a mis un accent particulier sur la couverture sanitaire universelle. Selon lui, il s'agit d'instaurer un système fiable pour permettre à chaque citoyen de bénéficier pleinement de son droit à la santé. Certains citoyens rencontrés se disent satisfaits car cela va permettre aux populations de mieux assurer leur santé. C'est un reportage de Badara Dien et de Amdi Moustapagnan. Le gouvernement du Sénégal a mis un accent particulier sur la couverture sanitaire universelle dans le cadre d'apporter l'équité à l'accès aux services de soins. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Selon lui, il s'agit d'instaurer un système fiable pour permettre à chaque citoyen de bénéficier pleinement de son droit à la santé. Nilan, restauratrice trouvée sur son lieu de travail, salue l'initiative car selon lui, la majeure partie des populations n'ont pas l'accès aux soins. Ah, vraiment c'est une bonne initiative. Euh, vraiment, j'en suis trop, trop, trop contente même, vraiment. Mm, oui, c'est une bonne idée quand même. c'est une bonne idée, très bonne idée même, vraiment. Parce que c'est pas tout le monde qui, est à, comment dirais-je, à, l'aise euh, pour la santé, quoi, vraiment. Vraiment, j'en suis trop contente. Sur ce même sias, ce jeune homme nous confie. C'est une bonne information à propos des euh, gens qui veulent se soigner. Bon, c'est une information et c'est quelque chose qui permet aux populations d'avoir accès euh, aux médicaments, à la santé. Et la santé d'une personne est quelque chose qui est fondamental dans la vie d'aujourd'hui. Bon, si on a quelqu'un comme par exemple le ministre de la Santé qui euh, a un volontaire de nous donner la possibilité d'avoir accès aux médicaments moins chers, d'aller à l'hôpital se soigner, c'est une bonne chose. Et nous remercions également ce geste. Et euh, vraiment, nous faisons appel à la population d'avoir euh, la possibilité aussi euh, d'approcher les hôpitaux pour mieux se soigner. Effectivement, c'est une très, une, une très bonne chose c'est quelque chose qui est, c'est un geste à saluer. Abdoulaye Diouf a annoncé que le Sénégal a fait un bond substantiel dans la mise en œuvre de la couverture maladie universelle prônée par le président Macky Sall dans le cadre du plan Sénégal émergent. Mais néanmoins, une partie des Sénégalais rencontrés continue de demander aux autorités sénégalaises de les aider pour mieux faciliter l'accès des populations aux couvertures sanitaires universelles. Cap sur l'international, c'est avec Djibril Dem international que nous commençons au Mali alors que les tensions se sont focalisées ces derniers temps sur les régions du centre du Mali de Liptako, Gourma et au-delà au Burkina Faso. L'attentat de Dimas à Aguelok est venu rappeler que les groupes armés terroristes y sont toujours actifs en dépit des coups que leur sont régulièrement portés par la force Barkhane d'attaque des camps de la dans cette localité située entre Kidal et Tessalit souligne aussi le bon niveau des préparations de certaines cellules terroristes en mesure de varier leur mode d'action pour conduire des attaques coordonnées meurtrières. Nous allons en Algérie. Les enseignants appellent à un sitting cet après-midi, une nouvelle journée d'action après la grève d'hier. Selon l'intersyndicale, plus de la moitié des enseignants ont refusé de travailler pour dénoncer les conditions dans lesquelles leurs statuts sont redéfinis, mais aussi pour réclamer la revalorisation des heures supplémentaires. Et nous terminons en Europe, Angela Merkel et Emmanuel Macron ont signé un nouveau traité entre l'Allemagne et la France, le traité d'Aix-la Chapelle. Ce texte renforce la coopération entre les deux pays. Il complète le traité de l'Elysée signé en 1963 et qui scellait alors la réconciliation franco-allemande après la Seconde Guerre mondiale. C'est une nouvelle étape pour renforcer l'amitié franco-allemande. Ça n'est tout pour l'actualité internationale. La passeport porte également la signature de Djibril Demba. L'actualité sportive que nous commençons en Italie, la Fédération italienne de football a décidé de maintenir les deux matchs de suspension à l'encontre de Khalidou Koulibaly le défenseur de Naples expulsé contre l'Inter Milan le 26 décembre après avoir essayé des insultes racistes. Son club évoque une grave défaite pour le football et son président est à nouveau monté au créneau après la victoire obtenue contre la Lazio de Rome. Le roi des arènes va affronter Modulo au mois de juillet prochain. Le casse de Massène et connu. Sous relève que la somme de 160 millions de francs CFA. Ce combat est ficelé par Mustafa Diop de Hockey Africa. Pour rappel, Massène a battu Bombardier pour remporter la couronne de roi des arènes. Modulo l'avait dominé en 2015 et veut prendre sa revanche. Un combat choc entre Barcelone et Pékin aura donc lieu en fin de saison. Et nous terminons l'actualité internationale en Europe. La Ligue nationale de basket-ball a publié la liste des joueurs qui se sont illustrés à mi-parcours. Dans la catégorie MVP figure des joueurs sénégalais qui se sont fait un nom dans le championnat français. Il s'agit de Youssouf Afal et Youssou Ces deux pivots sénégalais jouent les grands rôles dans leur clip Sans surprise, ils sont en tête de liste de la LNB. Sur leur site, ils présentent les deux joueurs. Ça en est tout pour la qualité sportive. Point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée.